Man quotidien d'aujourd'hui, jeudi 27, 28 septembre 2023. Thème Que tout ce qui respire loue le merveilleux Créateur. Que tout ce qui respire loue le merveilleux euh, Créateur. Test, lecture, Hébreu chapitre 1. Nous allons partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par Élie, par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, de d'autant supérieur aux anges qui a hérité d'un nom plus excellent que le, leur, car auquel les anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. J'étais enseigné aujourd'hui, j'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Euh, lorsqu'il introduit le nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ou d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as, au commencement, fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as, au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. En 2020, les astronautes utilisent, utilisant le télescope spatial Hubble ont découvert une nouvelle étoile et provoqué une grande hésitation dans le domaine scientifique. Selon, les, selon ces astronautes, la nouvelle étoile découverte qu'ils ont appelée Icarus se situerait à 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc la distance entre Icarus et la Terre sera de 10 000 10 milliards 915 milliards millions de kilomètres plutôt multiplié par 13,4 milliards. Rappelez-vous toutefois qu'une telle distance n'est pas encore suffisante pour atteindre le ciel. Pourtant, les anges peuvent descendre du ciel sur la terre en quelques secondes. Telle est la puissance de Dieu. Notre test révèle la majesté de Dieu et la glorieuse image irréante à son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le, le monde. Christ est décrit comme étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Celui qui, fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Le trône de Christ demeure pour toujours et le sceptre de son royaume est un sceptre de justice. Il a posé les fondements de la terre au commencement et finira par les replier tout en étant le même. Les merveilles de la création de Dieu sont à contempler. Il a créé les anges et tous les hommes, le soleil qui se lève et se couche, la lumière dorée de la lune, les belles roses, les chutes d'eau, les vastes océans, la brise douce qui nous fait du bien quand nous nous relaxons, la pluie qui endoucit la terre et nous permet d'être productifs productive, le royaume des animaux, les végétations vastes, le ciel rempli d'étoiles, etc. Voici juste une partie de ce que notre merveilleux Créateur a fait. Il nous a donné les yeux pour voir ces choses et la bouche afin que nous témoignions sa grandeur. Ainsi les croyants doivent adorer Dieu, à qui ils doivent leur existence. Adopter une attitude de gratitude lui est toujours agréable puisque cela nous amène à le louer. Il n'y a de merveille, bien de meilleure chanson dans ses oreilles que la chanson de celui qui le bénit. Si vous pouvez seulement louer le Seigneur aujourd'hui, vous expérimenterez de merveilleuses choses qui vous étonneront. Amen. Pensez du jour. Louer Dieu est un signe de reconnaissance. Louer Dieu est un signe de reconnaissance. La Bible en un nom. 2 Pierre chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. 2 Pierre chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Amen.